permettez-moi d'abord de, de, souhaiter une bonne fête à tous les musulmans du Sénégal et du monde entier. J'ai écouté le discours d'Idrissa Seck, même si j'avoue que ça me fait rire. Parce que quand j'entends Idriss Sek parler, c'est comme si euh, il croit qu'il parle à une population qui n'est pas mûre. Et c'est vraiment dommage. Euh, vous savez, Idrissa Seck a expliqué son alliance avec le président Macky Sall du fait que on était en crise de Covid-19 et que voilà, euh, avec ses conséquences, alors il n'a pas voulu brûler le pays, c'est pourquoi il est allé rejoindre le président Macky Sall. Moi, euh, la première chose que j'ai constatée dans ce discours, Idriss Seck presque deux ans, il est dans le gouvernement de Macky Sall. Il n'est pas venu prier ici à Thiès. Deux ans après sa nomination. Qu'est-ce que cela explique Cela explique qu'il a attendu de perdre la ville de Thiès pour venir prier à la mosquée Moussente. Donc si Idriss avait gagné les élections passées, il ne serait pas aujourd'hui à Thiès pour prier. Donc il n'a aucun respect pour les Thiessois. Ça c'est de Deuxième chose, euh, Idriss Sek explique voilà, Idriss Sek avait, avait déclaré publiquement que le Conseil économique, social et environnemental était une institution budgétivore et qui n'avait pas sa raison d'être. On devait la, la, supprimer, selon lui, à l'époque. Aujourd'hui, après son alliance avec le président Macky Sall, il accepte n'est-ce pas, de diriger cette institution. Mais les Tchessois ont pris note et ont constaté que Idriss Seck, ce qu'il parle et ce qu'il fait, en fait, c'est diamétralement opposé. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, il a, il a ravalé, n'est-ce pas, ses vomissements. Euh, troisième chose, elle parle de son implication dans le gouvernement. Mais pouvez-vous me dire ce qui, est, ce qui a changé depuis que Idriss est entré dans le gouvernement Au contraire, regardez les, les prix de denrées de première nécessité, qui sont tous augmentés. Tout est devenu cher. Les populations vivent des moments extrêmement difficiles. Regardez l'emploi des jeunes jusqu'à ce que des jeunes prennent des pirogues pour aller euh, en Europe. Donc rien n'a changé. Aujourd'hui, Idriss est vraiment en perte de vitesse. Maintenant, moi je lui conseille tout simplement d'organiser ces jeunes, de les encadrer et lui de quitter l'arène politique. Parce qu'il ne sera, il, est en train d'organiser des audiences tous les jours, tous les week-ends à Dakar comme à Thiès pour, pour vouloir récupérer la ville de Thiès. Ce serait peine perdue pour lui les Thiessois lui ont tourné le dos et je pense que c'est fini. Ouais, maa ngi leen nuyu bu di ziar donc euh, di xanaa am vraiment am jaaxle ci bima ma cadeau Idrissa Seki yi mu rotal ci julli ji parce que dégg naa ko mu wax ni euh, ñu bari ñu koy ŋàññi ci le fait que mu ji président Macky Sall alors que euh, lim ci jublu woon moy ñu won ci crise Covid 19 bi ak conséquences yi mu indi yépp et moom au que muy bàyyi euh, réew mi di tàkk mu préféré dem rejoindre président Macky man bi ma ko dégloo dama jaaxle premier jaaxle bi mooy Idrissa Seck bi mu duggee ci gouvernement Macky Sall bi ak tey mu ngi soog a teg tànkam Thiès pour julli si pour julli si fii Korité alors ci diggante bi euh, lan moo ko tere woon def li mu def nii tey dafa bàyyi ba perte Thiès diir ba Thiès waaye wan ko ne ko wan nañ la ginnaaw mu soog a ñëw def si lii mu def tey mais tey mu gañe woon élection locale yi ñu génn lii mu def tey sax amaana du ko def muy benn beneen bi ci des dafa dem jël institution boo xamante ni dafa d'accordoon ne du institution bu baax mooy moom dafa waxoon conseil économique social environnemental dañ ko war a tas parce que day yàq alalu réew mi moom mu dem ñu jox ko conseil économique social environnemental def ko président bi sax faf Chez noté madame, noté né li Idrissa Seck di wax ak sont c'est diamétralement opposé donc muy ñaar bi implication ci gouvernement bi lan la soppi lan la changer, prix mi ngi cher injustice bi ci dëkk bi dara ci euh, dëkk bi ndaw ñi seen c'est tout un tas de problème nga xamante ni tey mënoon nañ ne kat bi mu ñëwee dugal loxoom am na lu mu soppi mais au contraire dëkk bi dafa sax gën a metti soo xoolee denrée yi ni mu yokkoo ci fan yi nga xam ne vraiment dëkk bi li population yi di dund metti na moo tax man vraiment bu ma ko déggee muy wax ay ree moo may jàpp maintenant mi ngi def lu mu mën nag mi ngi recevoir à tort à travers mi ngi dajalee mi ngi def lu mu mën pour gañewaat li nga xamante ni mooy ville de Thiès mais jàpp naa ni lii bu fekke ci la sukkandiku c'est peine perdue parce que fii ñu toll ni temb la muy laaj pour que Idrissa Seck wat nekkat nekkat fa mu nekkoon jàpp naa ni loolu Cees waay dootuñ ko ko mayeeti et motax ma japp ne discours bi du discours bo xamante discours bu nit meuna a dégg la wala discours boo xamante tay euh discours picc la ko meuna tuddé tuddee waaw donc euh, mom na noppalu liko war moy mu dem noppalu fexé ba relève bi encadrer ay ay jeu de ba ki ay responsable am pour ñu mais pas moom moom moom Cees waaye war nañ ko génn